le forum du studio forum forum forum forum forum forum forum forum Il est 18 heures passées de 15 minutes à Nyami, c'est l'heure du forum de Studio Kalangou. Le forum est un espace d'échange, de débat, d'éducation et de sensibilisation à travers lequel nous faisons appel à des personnes ressources pour apporter des réponses aux préoccupations quotidiennes des citoyens sur des questions d'actualité ou de société. Insalubrité à Niamey, action engagée et obstacles, une situation qui persiste et toujours d'actualité dans de nombreux quartiers de la capitale. Les médias en parlent presque chaque jour et ce depuis des années, mais le problème reste entier. Pourtant, un cadre de vie amélioré peut contribuer significativement à la santé des habitants avec à la clé une ville rayonnement qui peut faire des jaloux. Afin de se pencher sur ce sujet à la fois banal et essentiel, nous avons le plaisir d'accueillir dans ce studio Madame Traoré Salamatou, habitante de la ville de Niamey et très avertie sur le sujet car elle est une femme ayant travaillé toute sa vie dans le secteur de la santé. Bonsoir Madame. Bonsoir. Monsieur Boureima Daouda du mouvement nigérien pour la sauvegarde des acquis démocratiques euh, Mozadem, bonsoir. Bonsoir. Et un représentant de la ville de Niamey que nous attendons incessamment à la présentation de ce forum, Raila Toussoumana. Merci à vous, chers invités, d'avoir accepté notre invitation. C'est un triste de le dire. Les immondices dans les quartiers des villes nigériennes, notamment à Niamey, sont très visibles et semblent servir de décor au point où ils sont utilisés comme indication pour retrouver certains lieux. Chers invités, pour planter le décor de notre émission, dites-nous sommairement quels sont vos constats sur l'insalubrité à Niamey, quels sont les endroits, les gestes euh, ou habitudes qui retiennent le plus votre attention Quel est votre rôle ou contribution visant à changer positivement les choses Honneur aux dames, je commence par vous, Madame Traoré. Merci. Euh, merci à l'équipe de Kalangou également. En euh, ce qui concerne l'insalubrité dans la ville de Niamey, la situation devient très préoccupante de jour en jour, on voit de plus en plus d'insalubrité causée par le manque de prise en charge au niveau communautaire. Nous-mêmes, les femmes, au niveau des quartiers, les familles, les ménages, c'est-à-dire euh, au niveau même de la base, il manque une prise en charge de notre vie quotidienne. La gestion des ordures, la gestion des eaux usées, la gestion du quotidien devant les cours, il y a un constat qui est amer. Et là, je, commence par d'abord la déventure des maisons. L'ancien temps, dès le matin, au réveil, chaque femme balayait devant sa porte. Avant de vaquer d'abord Avant de, rentrer dans la cour. Mais cette habitude-là, elle est perdue. Le deuxième aspect, ce sont euh, des fosses qui sont devant les déventures des maisons. C'est-à-dire, ils font les regards devant les portes les fosses sceptiques. Les fosses septiques devant les portes. Je ne sais pas si les communes n'ont pas une gestion de ce système-là. On a l'eau qui se déverse devant les portes. Donc pour rentrer dans la cour, vous êtes obligé de nager. Deuxième aspect, les poubelles, les ordures. D'abord, souvent on ne balait pas, mais même quand on balait, où les mettre On voit des, des seaux pleins d'ordures devant la porte et ça déverse. C'est de partout. Vous avez les sachets plastiques, mhm. vous avez. Et si par malheur vous avez la chance d'être devant une canalisation, alors là, c'est le vrai dépotoir. Mhm. Vous avez les pneus usés, les chaussures, les, même les, besoins quotidiens. Le matin, on va verser les pots dans cette canalisation. Nous allons y revenir. Le temps de donner la parole à M. Daouda, une présentation de votre structure et réagir par rapport à toutes ces questions-là. Oui, bon, pour euh, ce qui concerne euh, notre structure, euh, le mouvement nigérien pour la sauvegarde des acquis démocratiques, depuis plusieurs années, nous avons fait le constat qu'il y a un problème euh, d'hygiène et d'assainissement au niveau de la ville de Nami. Donc euh, nous avons approché les autorités municipales euh, pour faire le diagnostic du problème et leur proposer des pistes de solutions pour résoudre le problème. C'est dans ce sens que nous leur avons proposé d'avoir un partenariat nous permettant non seulement de lutter contre le chômage et le désœuvrement des jeunes, mais également lutter pour euh, l'amélioration du cadre de vie des populations de Niamey. Mhm. C'est dans ce sens que nous avons commencé d'abord, à, euh, comme on n'a pas les moyens nécessaires quand même pour euh, régler tous les problèmes d'hygiène d'assainissement au niveau de Niamey, on a commencé par les grandes artères mhm. où vous constatez la nuit, donc on essaie de balayer pour euh, rendre euh, les routes euh, propres avant la matinée. Mais malheureusement, ce que nous constatons, on a un problème, je crois que c'est un problème de mentalité au niveau du Niger. Comment se fait-il que vous voyez des vieilles dames, des jeunes ont balayé la nuit, le matin, c'est là où on a balayé qui deviennent des dépotoirs pour les populations environnantes. Certainement, si le problème perdure, mhm. c'est parce qu'il y a certainement un problème de communication on a comme l'impression qu'il n'y a pas une communication réelle entre les autorités municipales et les populations. Sinon, on ne peut pas comprendre que, la population ou une grande partie de la population pense que la question de l'hygiène et de l'assainissement doit concerner seulement les autorités municipales. En principe, la population doit œuvrer pour faciliter la tâche mm-hmm. aux municipalités. Parce que quand on parle d'assainissement, en réalité, c'est d'abord, les premiers bénéficiaires, c'est d'abord la population. Peut-être que les populations sont en train de perdre de vue un certain nombre de paramètres. Plus euh, les quartiers sont sales, plus euh, les populations créent eux-mêmes des nids pour euh, les moustiques. Et c'est pratiquement ce qui fait en sorte que ces dernières années, à Niamey surtout, le paludisme est comme devenu une pandémie. Mm-hmm. Et ce qui amène les moustiques, c'est surtout, l'environnement est très sale. Merci, M. Daouda. Il y a le représentant de la ville de Niamey qui vient de nous rejoindre. Monsieur, bonjour. Bonjour, madame. Veuillez vous présenter et euh, la, mission assignée à votre structure, Abdoulaye Ali Moumouni, conseil technique principal, euh, chargé des affaires juridiques du président de la délégation spéciale de la ville de Niamey. Euh, la ville de Niamey, je pense, euh, n'a pas besoin d'être présentée. C'est une euh, collectivité territoriale mm-hmm. créée par l'ordonnance 2010-55 euh, du 17 septembre 2010 portant élection de communauté urbaine en ville donc, entre autres, comme mission, l'article 85 du Code général des collectivités dit que le maire a l'obligation d'assurer la salubrité, la tranquillité et la commodité des populations sur le territoire de la ville. C'est une obligation pour euh, la ville et ses responsables d'agir dans ce domaine. D'ailleurs, quand vous prenez les différents budgets de la ville de Niamey, la salubrité engloutit plus de 45% des ressources de la ville. Et on parle des milliards parce que le budget de la, ville varie de 27 à 35 milliards par an. Euh, a une particularité, euh, nous avons deux populations, la journée et la nuit. Je m'explique. Mhm. La journée, il y a les populations des entités environnantes. On prend Karma, Luboré, Hamdallah et des gens qui sont en transit qui viennent se greffer à la population de la ville qui est estimée à 1 300 000. Donc en journée, on peut aller à 1 800 000. On estime que chaque euh, personne à Niamey produit au moins 200 grammes de déchets. Mhm. Il faut voir la masse de déchets produits chaque jour et qui doit évacuer ces déchets, c'est la ville de Niamey. À présent, je vous propose de suivre euh, les avis de quelques habitants de Niamey sur la question de la salubrité de la ville. Moi, je pense qu'il y a des efforts qui sont en train de faire, mais beaucoup restent encore. De mon point de vue, souvent, je condamne aussi un peu la population parce que moi, j'habite euh, un peu vers le goudron. Et je constate que souvent, vraiment, les gens se permettent de déverser des ordures même dans les caniveaux. Vous voyez, faites un tour, vous voyez ce qui se passe dans la ville. Moi, j'ai l'habitude de voir des pneus dans des caniveaux, ce qui n'est pas normal. Le tirage des caniveaux incombe également aux autorités, non oui, ça incombe aux autorités. Parce que je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi, chez moi, ils ont tiré, ils ont enlevé le sable. Et ça fait maintenant 4 ou 5 mois jusqu'à présent, le sable est toujours là. Ils ne sont pas venus pour enlever le sable, voir le, caniveau. Et ça peut encore revenir parce qu'une fois que la pluie tombe, ça reverse encore dans le caniveau. Ou bien le vent aussi peut l'emporter puis l'amener carrément sur le goudron. On ne peut pas dire que Niamey est très propre, mais il y a une évolution c'est la salubrité à Niamey. Donc euh, les routes sont propres. Il reste juste euh, un petit truc, c'est de mettre aussi l'accent dans les différents quartiers, mais les grandes routes euh, sont bonnes. Et les quartiers qui doivent les balayer et à qui la faute Nous, nous d'abord, nous les riverains, nous, nous devrons mettre l'accent sur la salubrité dans le quartier. L'autorité est en train de faire beaucoup de choses avec le programme niamey Alain je pense qu'on peut dire pour le moment, ça va, ça reste le suivi. Qui doit faire le suivi Là, ça incombe à la population. Parce que si on fait des infrastructures, donc euh, ça revient à la population de faire le suivi. Bon, le suivi même, euh, le gouvernement doit faire le suivi parce que si on fait des infrastructures et qu'on ne canalise pas la population à faire bon usage, donc euh, ça manque le suivi à ce niveau. En parlant d'infrastructure, nous sommes à Kouarkano où il n'y a même pas un mètre de caniveau. Que pensez-vous euh, de ça Est-ce que ça, c'est une forme de propriété ou bien Non, ce n'est pas une forme de propriété, mais ici derrière, il y a le boulevard Tanimoun. Oui, il y a les caniveaux. Mais en tout cas, dans les quartiers, il n'y a pas de caniveau. Là, c'est vraiment pas à saluer. Quand la pluie tombe, c'est compliqué. Il y a de l'eau partout et c'est difficile vraiment. Voilà, ces personnes pensent que les grandes artères de la ville sont propres et il reste les quartiers dont le nettoyage revient aux habitants. Toujours honneur aux dames, Madame Traoré, je commence par vous. Euh, votre réaction suite à ces avis en ce qui concerne toujours le constat par rapport à ce qu'ils viennent de dire, on peut mieux faire. On nous dit que euh, les grandes artères sont propres. Pour quelqu'un qui vient de l'extérieur, ne dira pas la même chose. Les grandes acteurs, si vous voyez, rien que le goudron est couvert de sable. Et les nettoyeurs sont groupés au même endroit. On peut responsabiliser ces agents en leur donnant leur parcelle de responsabilité. De tel endroit à tel endroit, vous devrez le faire. En ce qui concerne euh, le budget que je viens de, suivre à travers euh, l'exposé, mhm. qui ne reflète pas les résultats attendus on voit beaucoup de moyens qui sont mis à la disposition pour faire la salubrité, mais il y a la communication. Avec la communication, on résout beaucoup de problèmes. Il vient de le dire. À votre avis, il n'y a pas assez de communication. Il n'y a, pas il y a même pas de communication en ce qui concerne l'hygiène, la salubrité de l'environnement. Il n'y en a pas. Et deuxièmement, pourquoi ne pas sanctionner Et la mairie elle-même doit prendre des dispositions pour régir la vie des ménages toutes ces, ces, fausses sceptiques qui sont à la déventure, qui mhm. créent des décès des enfants. Il y en a des enfants qui se noient dans ces fosses-là. Et tout à l'heure, j'ai suivi le paludisme, qui est endémique. Mais il n'y a pas que le paludisme, tous les problèmes respiratoires. Si nous voyons le mode de transmission des maladies, il y a plusieurs voies de communication. Mhm. Il y a les voies respiratoires, mais il y a aussi les, les pieds, les enfants qui marchent les pieds nus. Il y a plein de, microbes qui ramassent dans la rue. Je dirais aussi les déchets. Le représentant de, la ville de Niamey vient de faire ressortir 200 grammes par, personne. Mais ces 200 grammes sont constitués de quoi De ces déchets plastiques. Et la responsabilité incombe, malgré qu'il y a une loi, mhm. incombe encore à la municipalité pour régler ou bien pour régir ou bien pour appliquer cette loi. Mm. Et ça donnerait moins de déchets, euh, en tout cas, à, ramasser. Et, je ne finis pas. Mais ces déchets, qui les ramassent Les porteurs des, déchets. Ils ne sont pas aussi formés. Et ils ramassent d'un côté et ils versent d'un autre côté. Mm-hmm. Et c'est toujours la ville où ces déchets doivent être traités, où ils doivent être amenés. Le monsieur de la mairie nous le dira tout à l'heure. Euh, monsieur Daouda, selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a autant de déchets dans nos rues le représentant de la ville de Niamey a commencé par donner les raisons de la surpopulation d'abord, plus mhm. d'un million de personnes. Quand on comprend les quantités de déchets produits par jour, mais ça, ça ne peut pas dédouaner quand même euh, la ville de Niamey, puisque la ville de Niamey connaît déjà sa population et les quantités de déchets que peut produire euh, la population par jour, alors euh, il y a donc euh, un grand travail de planification à faire pour la gestion de ces déchets. Mhm. Ça veut dire quoi La mairie doit se chercher et se doter les moyens lui permettant d'évacuer ces déchets. Et c'est effectivement ça le plus grand problème de cette ville, parce que c'est une ville où il n'y a pas de décharge public. Et Namé, depuis longtemps, a déjà dépassé ses limites territoriales. D'ailleurs, il y a beaucoup qui sont actuellement dans les quartiers qui, en réalité, quand on prend sur le plan territorial, sont dans la région de Tilaberi. Alors ça, c'est un véritable problème. La mairie doit d'abord chercher un dépotoir et chercher également le maximum d'engins lui permettant d'évacuer ses déchets. Parce que le problème qu'on constate, qui balait mais le premier problème qui se pose quand ils balayent, c'est qu'ils n'ont pas où déverser les déchets. Et que vous voyez, ils transforment des espaces vides comme des fautoirs. Plus le temps passe, plus la situation s'aggrave parce que, parce que l'essentiel des déchets, ce sont surtout les plastiques. Ils déversent à côté donc de leur quartier mm-hmm. et le vent les ramène automatiquement dans les quartiers. Et ce qui m'étonne, on est dans une capitale, au moment où il y a des projets qui sont en train de lutter, même dans les villages, pour qu'on évite la défication à l'air libre. Mm-hmm. C'est à Niamey, centre-ville. Au centre d'un goudron, où à la lumière, on voit des populations de Niamey euh, s'adonner à la défication à l'air libre. Là, c'est vraiment l'important, je ne sais pas quel genre de conscience et quel genre d'esprit c'est on, on, ces genres de population. Pour la population, comme on dit que le rôle de l'assainissement de l'hygiène là c'est incombe à la municipalité. Il n'est pas dire qu'en réalité, c'est la municipalité qui doit tout faire. Elle doit répartir les rôles. Chacun balaye devant sa cour, balaye sa maison. Peut-être que ce que la population peut attendre de la, mairie, c'est d'avoir des engins pour évacuer les, déchets. Donc, M. Moumouni, à votre avis, pourquoi ou comment expliquer cet incivisme des habitants de la euh, ville de Niamey L'incivisme, euh, je ne dirais pas que la population de Niamey a un comportement incivique peut-être euh, à un certain temps, nous, en tant que collectivité territoriale, on était en hibernation. Mhm. Explication. On laissait faire. Mhm. Nous avons un rôle d'encadrement de la population. Mhm. Ce rôle, à un moment, on ne le jouait pas. Je n'ai pas honte de le dire, c'est la vérité. On a pris conscience de ce problème, d'où la création dans tous les quartiers de Niamey de comités de quartier. C'est quoi ce comité de quartier. Ce sont des structures qui sont créées autour du chef du quartier, le lui-même du quartier, les représentantes des femmes et les représentants des jeunes, une dizaine de personnes par quartier. Mhm. Nous nous sommes dit, ces structures, on doit les outiller en les formant sur les dispositions du Code d'hygiène et d'assainissement. Et ce que nous sommes en train de faire présentement, nous avons en imprimerie des exemplaires de ce code d'hygiène et d'assainissement que nous allons mettre à la disposition de ce comité de quartier dans les établissements scolaires mhm. avec les, les, organisations de la société civile et les médias. Pour qu'il y ait véritablement changement de mentalité dans ce pays, il faut qu'on commence à l'école. Ça doit être la, base, l'éducation à la base. Avant, nous, euh, quand on était à l'école, avant, on venait très tôt à l'école, on balait la classe euh, ramasser tout ce qui est comme déchets dans la cour. Et aussi les vendredis après-midi, c'est salubrité. C'est salubrité. Mm. C'était obligatoire. C'est le lieu de remercier les scolaires de la ville de Niamey qui sont venus vers la ville pour dire Ah, monsieur le, maire, nous avons vu ce que vous êtes en train de faire. Et nous, en tant que structure de scolaire de la ville de Niamey, nous prenons l'engagement de ramasser tout ce qu'il y a comme déchets dans nos établissements et aux alentours des établissements. Et si vous voulez, donnez-nous des rues et des boulevards en tant que jeunes. On va vous accompagner mhm. dans votre élan de faire de Niamey une ville propre. Parce qu'on a été en voyage d'études dans tel pays, ce que nous avons vu. on a honte en tant que jeunes Nigériens. Vous voyez, ce n'est pas la répression, la sensibilisation. Si l'enfant, le jeune est bien sensibilisé, la société ne peut que se porter très bien. On a compris avant les bouts de vidange, Quand les gens viennent prendre les eaux mhm. des WC et autres, ils partent à l'air libre. Mhm. Juste euh, à l'entrée de la ville, il y a les populations aussi. Aujourd'hui, avec euh, l'appui de la Banque euh, mondiale, la ville de Niamey va inaugurer, Inch'Allah, en novembre, première station de bout de vidange de la ville de Niamey où ces déchets seront recyclés et utilisés pour le maraîchage. Il y aura de l'engrais qui sera fabriqué à partir de ces déchets et il y a une filière qui est bien organisée. Ce mhm. sont des jeunes. Ce n'est pas la mairie qui gère euh, directement. Nous avons organisé. de, il y a eu un appel d'offres d'abord. Des gens ont postulé. Et il y a eu un contrat entre la ville de Gamé et et, et, pour la gestion de ce bout de vidange. Et notre projet, c'est avant 2021 de doter la ville de Niamey de deux autres le temps de donner la parole à Madame Traoré. On constate que dans certains quartiers, c'est les alentours des écoles, des marchés qui servent de débotoir pour les habitants à proximité. Pourquoi, selon vous, ces habitants jettent ces ordures à ces endroits Est-ce que par manque de dépotoir ou par fainéantisme par manque de dépotoir peut-être oui, mais aussi euh, il manque de vigilance au niveau des gardiennages. Nous avons des gardiens qui sont payés, ils sont censés veiller à l'environnement direct de leur établissement. Mm. Mais ils préfèrent aller dormir. Et c'est pendant ce laps de temps-là que les ramasseurs d'ordures viennent aussi faire le dépotoir chez eux. Donc c'est là où j'ai dit, il manque aussi de vigilance au niveau de ces responsables des établissements. Mm. Un gardien qui permet à sa déventure de devenir un dépotoir, parce que c'est là où il gagne son pain et il ne veille pas on a dégagé les alentours des établissements scolaires, le pourtour des formations sanitaires, mais ces lieux sont devenus des déportoirs parce mhm. que le gardien n'est pas dehors, le gardien à l'intérieur. Et surtout, il déverse nuitamment les ordures. Nuitamment les ordures. Et deuxième aspect, je le dis encore, c'est les eaux usées. Il y a des familles qui attendent la nuit pour déverser les eaux usées sur les goudrons. Mhm les vendeurs ambulants ou les vendeurs qui sont sur les trottoirs, ils lavent leurs légumes, ils lavent leurs fruits, ils versent sur le goudron. En deux jours, les goudrons sont troués. Moi, chez moi, je, devant ma déventure, il y a un goudron tout neuf qui est déjà dégradé. Et il ne balait pas. Quand vous parlez avec ces vendeurs, c'est la bagarre. Ce n'est pas chez toi. Alors que le, la déventure Aujourd'hui, toute femme, toute bonne ménagère doit veiller à la santé de sa famille, mhm. doit veiller à la, la, santé des enfants même du quartier. Mhm. Parce que rien qu'en faisant un exemple de salubrité, ça incite le voisin à faire la même chose. Auparavant, il y avait les salubrités publiques les dimanches. Pourquoi pas aujourd'hui Aujourd'hui, vous demandez aux femmes, elles sont prises je suis dans l'environnement où je suis, je rentre dans les ménages même pour être un peu agressive. Pourquoi vos enfants versent l'eau sur le goudron l'eau de la lessive, c'est la nuit à 2 heures du matin. Je veille parfois pour voir dans quel cours les gens sortent pour verser l'eau sur le goudron. Mhm. Et je suis habituée à faire le diagnostic et à aller parler au chef de famille. Monsieur Daouda de Mozadem, une ONG qui lutte pour la salubrité de la ville, euh, certains endroits, ce sont les odeurs d'urine et d'excréments que l'on est malheureusement obligé de respirer mhm. <laughs> parce que à côté des murs, malgré les mentions interdites d'uriner sous peine d'amende, il y a toujours euh, des gens qui font leurs besoins à côté. Est-ce qu'il y a des toilettes euh, publiques euh, à Niamey pour solutionner ces situations Bon, en réalité, pour, pour ces situations, quand on essaye de voir la ville, il n'y a pas quand même assez de toilettes publiques. Mhm. On peut trouver même à côté des marchés ou des grands regroupements, il n'y a pas de toilettes publiques, ça pose un problème. En réalité, hein, ce problème d'insalubrité ce n'est pas seulement Niamey. Pour euh, parler toujours des toilettes euh, publiques, euh, comment donner à Niamey l'image d'une ville moderne quand il n'y a pas suffisamment de toilettes publiques Vous savez, les toilettes publiques, c'est d'abord une affaire sociologique et culturelle. Je m'explique. nous sommes dans une société où généralement les gens, pour faire tes besoins, tu viens, tu tapes à la porte de n'importe qui, mhm. tu as l'accès. Mhm ce qui n'est pas le cas de plusieurs pays en Afrique et ailleurs. Aujourd'hui, il y a des personnes, même si on construit des toilettes publiques un peu partout à Niamey, tu ne le verras pas dans ces toilettes publiques. Ils préfèrent taper la porte de quelqu'un pour aller faire leurs besoins. Mais cela ne nous dédouane pas. Il y a des endroits comme les marchés, des endroits de forte concentration où il faut obligatoirement ces toilettes publiques. On est en train d'expérimenter au niveau du nouveau marché de Yamadi mhm. des toilettes publiques mobiles. À la fin de cette expérience, si c'est concluant, ça va commencer quand ou ça a déjà commencé Ça a déjà commencé. Au niveau, au de ces marchés, il y a un certain nombre d'endroits qui ont été euh, déjà identifiés par les services techniques de la ville de Niamey mhm. ou qui seront dotés de ces toilettes. Mais il y a le problème de gestion qui se pose. Vous avez vu depuis les années 80, il y a un certain nombre de toilettes qui ont été réalisées. Mais jusque-là, la gestion n'est pas bonne. Donc, d'où ces comités de quartier. Parce qu'on ne peut pas faire du développement tant qu'on n'implique pas les gens à la base. Si on réalise des toilettes, par exemple, à Lazari, il faut que ce soit les jeunes de Lazari qui, gèrent ça directement. Ça va être plus rentable que de donner à quelqu'un qui quitte à, aéroport pour venir le faire. Donc, mm-hmm. c'est ça euh, l'une euh, des raisons qui a motivé le président de la délégation spéciale à mettre en place ces comités de quartier dans tous les quartiers de la ville de Niamey. Vous avez posé la question à Madame Traoré, pourquoi avant les gens balayaient chaque dimanche et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Mais avant, madame, il faut vous rappeler, les femmes ont une tradition où chaque fin du mois, ils, prennent un poulet, égorgent, partagent entre elles. il y a des parties de ce poulet-là. Quand on t'envoie, ça veut dire que tu es sale. Mhm. Et personne ne veut qu'on lui amène cette partie du poulet. Mais je pense que voilà une tradition positive qu'il faut réactiver dans nos quartiers. Mhm. Il y a certains quartiers, je prends euh, euh, l'exemple du quartier Abidjan. Je connais des, voies où chaque matin, les dames se réveillent très tôt pour balayer. Les voies pavées réalisées depuis 86 sont encore très propres parce que les gens traité savent que la propriété, ce n'est pas à la mairie de venir balayer, c'est à eux de le faire. Et mieux, ils cotisent entre eux, ces gens-là mettre du carburant pour que des tricycles de la mairie viennent évacuer leur ordure. Donc c'est une organisation sociale. Dieu, merci bientôt. Euh, c'est l'occasion de le dire, le président de la délégation spéciale contre, euh, euh, rencontrer les responsables des organisations féminines mhm. qui sont ici, qui œuvrent dans la ville de Niamey pour les mettre devant leurs responsabilités. Si Niamey est sale, ce n'est pas le président de la délégation spéciale, c'est vous les femmes. Donc, euh, Madame Traoré, je reviens sur euh, l'insalubrité là concernant les caniveaux. Il y a une insuffisance de caniveaux et ceux existants ne sont pas couverts, souvent bouchés par des immondices et les eaux usées stagnent. Que faudrait-il faire pour y remédier à votre avis, pour que la ville devienne propre parce qu'il y a des opérations de démostication qui sont en cours. Est-ce que dans ces conditions, ça, va être efficace Il y a euh, des modalités pratiques que les populations ont, engagé eux-mêmes, c'est de fermer directement les canalisations. Il y a des quartiers où les canalisations ont été fermées. Tout simplement, et il n'y a plus eu de moustiques parce que les eaux usées circulent jusqu'à un certain niveau. Après, c'est bouché. Il n'y a pas de continuité. Mhm. Alors, ces populations sont pénalisées. Tout le quartier vient déverser la nuit mhm. et l'eau stagne. Alors, ils ont décidé tout simplement de fermer, de boucher. Les caniveaux. Des caniveaux sont bouchés. Ils ont fermé pour résoudre, pas résoudre le problème parce que l'eau encore est déversée ailleurs. Alors, deuxièmement, les femmes elles-mêmes, comme il vient de le souligner, sont les responsables de cette situation. Tout simplement à travers l'hygiène de leur propre environnement. S'il n'y a pas de canalisation, où vont les eaux usées s'il n'y a pas de ramasseur d'ordures, où on doit mettre ces ordures C'est là où le, problème est un peu inquiétant. Mhm. Même si les femmes balaient, mais il faut quand même qu'il y ait un ramassage régulier et même permanent de ces ordures qui ne vont pas encore atterrir derrière les murs des formations sanitaires ou des établissements scolaires. C'est surtout la solution qu'il faut trouver. Mhm. C'est encore les municipalités il faudrait qu'il y ait un système de ramassage automatique, mais qu'il y ait aussi un système qui permette aux gens de vider leurs caniveau à moindre coût. Si vous devrez appeler une citerne, vous devrez payer un minimum de 13 000. Et les fûts qui ramassent, ils vont verser où Maintenant, il faut vraiment que le code d'hygiène, là, qu'il puisse régler le ramassage des eaux usées et des ordures et de savoir où il faut les déposer. Les femmes, elles ont besoin d'un peu de motivation, à savoir les émissions de sensibilisation mhm. à la télé. Et quand on motive la femme à dire que sa voisine est plus propre qu'elle, c'est une insulte. Elle va s'améliorer. Elle va s'améliorer. Et quand, par exemple, les municipalités d'usage des latrines, je dirais que, prenons l'exemple des latrines qui ont été placées euh, à Yantala. Il y a des latrines qui ont été financées, je ne sais pas, c'était le PNUD ou bien qui avait financé ces latrines, uh-huh. un projet, habitat. Mais quand quelqu'un veut aller faire ses besoins, vous ne l'empêchez pas. C'est un bien public. Uh-huh. Il vient, il vous demande, le bouillard est là-bas, allez-y. Plutôt que de faire les besoins sur le mur. Et les femmes, elles sont vraiment euh, motivées à faire l'environnement sain. Et pour un environnement sain, il faut un minimum il faut une organisation, comme il l'a dit, mais il faut aussi des sanctions, positives ou négatives. Vous n'allez pas demander à ce qu'il n'y a pas de coupe. Avant, il y avait des coupes. Surtout les sanctions. Oui, il y avait des coupes. On donnait des coupes au quartier. Aujourd'hui, on a abandonné tout ça. Il y a plusieurs pratiques qui ont disparu. Donc, M. Daouda de Mozadem, que fait votre euh, groupe pour améliorer la situation et la gestion de nos déchets dans la ville de Niamey Oh, nous, mettons l'accent surtout sur, euh, d'abord euh, sur, la communication. Mhm. Nous faisons des actions de sensibilisation pour euh, non seulement à l'endroit des autorités municipales, mhm. mais également à l'endroit de la population. Et de manière pratique, pour l'instant, avec les moyens dont nous disposons, nous nous sommes lancés dans le balayage et piquetage des, grandes voies. Mhm. Au moins, ça rendra ces voies-là propres. Mhm. Maintenant, notre communication, c'est pour créer des situations de synergie entre les autorités municipales et les populations. Maintenant, s'il y a cette synergie, selon notre entendement, on a la possibilité quand même de rendre la ville très propre. Si chacun joue sa partition, mhm. la population balaye et automatiquement les municipalités évacuent les déchets et on aura la possibilité de le faire. Et c'est toujours l'appel qu'on doit lancer, surtout au niveau de la mairie, pour euh, concernant les problèmes au niveau des quartiers. En tout cas, de dégager des espaces de dépotoirs de transit. Ça veut dire là où les populations des quartiers peuvent déverser leurs euh, ordures, comme ça, automatiquement, pourquoi il y a de transit Automatiquement, la mairie peut amener ses engins les déplacer pour aller les verser dans les dépotoirs qui sont éloignés de la ville. Parce que quand on les déverse juste à côté de la ville, mhm. c'est encore le vent qui va les ramener les plastiques. Mhm. Et toujours euh, également, la mairie, comme j'ai vu, vous avez imposé le port de casque et de ceinture de sécurité. Donc la mairie doit faire ce lobbying. On a empêché, en réalité, l'importation des déchets plastiques qui ne sont pas biodégradables. Mhm. Et pourtant, Jusqu'à présent, dans les marchés, les commerçants continuent à l'importer. Je crois que il y a des mesures sanitaires comme ça. Nous, nous sommes prêts à, le soutenir, à l'aider quand même. Il y a des mesures comme ça que le président de la dégradation spéciale doit prendre pour faire appliquer, d'abord, ne serait-ce qu'au niveau de son entité administrative, le refus des ventes des plastiques qui ne sont pas biodégradables. Mm. C'est la question. Il y a une loi interdisant la commercialisation, l'utilisation et la fabrication des sachets non biodégradables qui a été adoptée le 31 octobre 2014. Qu'en mm-hmm. est-il de cette loi, au moins de la ville de Niamey, qui va accueillir euh, euh, prochainement Cette loi et son décret d'application qui sont pris par le gouvernement. Mm. Et récemment, le gouvernement euh, a envoyer dans toutes les collectivités des messages radio mhm. pour demander aux maires de prendre des dispositions pour mhm. l'effectivité de cette loi. Mhm. Euh, au niveau de la ville de Niami, ça fait un mois, le président de la délégation spéciale est en concertation avec les acteurs parce qu'il ne suffit pas de dire j'interdis, mais il faut prendre des mesures de substitution. Les sachets biodégradables, il faut les emporter. Les commerçants nigériens, jusqu'à présent, peu de gens sont dans ce secteur. Il faut d'abord identifier les gens qui sont dans ce secteur. Nous avons encore des sachets non biodégradables qui sont sur le marché. Il faut trouver un mécanisme. Et la ville, présentement, le président l'a toujours dit, il faut éduquer par l'exemple. Avant de prendre les mesures sur la santé de sécurité et le port des casques, on a commencé à laver ville dire à nos chauffeurs, mettez vos ceintures de sécurité, à nos agents, portez vos casques. Et on a instruit la police municipale pour leur dire, ne permettez pas à quelqu'un d'accéder aux bâtiments municipaux sans ceinture et sans casque. Mais jusque-là, pour le camion qui doit porter les bâches, ce n'est pas encore effectif. J'arrive. <laughs> J'arrive. Pour l'interdiction des, des sachets plastiques, Rassurez-vous, madame, le président de la délégation spéciale fait de ça une de ses priorités. Et bientôt, vous allez voir le concret. Elle va sortir, il y aura des mesures qui seront prises. La loi existe, le décret d'application est là. Maintenant, comme la loi dit que non, c'est le maire qui est autorité de police administrative sur son territoire il va se vêtir de cette robe et faire en sorte que cette loi soit effective. Vous avez parlé du problème des bâches pour les camions. Mhm. C'est vrai, on a demandé à tous les gens qui transportent des matériels salissants de mettre des bâches de protection ou des filets. Jusqu'à présent, effectivement, ce n'est pas encore effectif. Est-ce que la mairie l'applique Oui, les camions de la mairie. Les camions de la mairie, nous avons fait les commandes nécessaires de nos bâches et des filets de protection, madame. Bientôt, vous allez voir que nos camions auront l'air pâche et filet. Donc, vous-même, vous avez donné la date limite, vous n'êtes pas équipé. J'arrive. <laughs> Vous pouvez. C'est ce que vous voulez dire. C'est ça. Vous pouvez. Oui ou non hein? <laughs> On a donné une, date, une euh, date limite. Effectivement, on n'était pas équipé. Voilà pourquoi si vous avez remarqué, il y on s'est beaucoup focalisé parce que sur le problème des casques et ceintures pour permettre aux gens de s'équiper. Parce que les bâches, il faut les commander. Ben, informer aussi la population. Une autre date pour qu'ils se préparent en conséquence, ou bien c'est ce, ce que nous sommes en train de faire. Par exemple, vous venez de nous offrir l'occasion mhm. de dire que la mesure existe et de dire que nous sommes en train de prendre les dispositions mhm. pour que ces bâches et filets soient disponibles sur le marché. D'accord réalisé euh, moi, euh, je dirais quand même qu'au niveau des municipalités, vous avez des agents d'hygiène. Mhm. À quoi ils servent Parce que nous, à notre temps, un agent d'hygiène accompagne l'équipe de salubrité du quartier. Mhm. Et quand, par exemple, au niveau de l'entretien du quartier, il y a une défaillance et qu'il y a des réticences pour un changement au niveau, par exemple, des canalisations ou bien des gens qui versent les eaux usées, ils sont verbalisés. Mais les agents d'hygiène, est-ce qu'ils existent encore Parce qu'un agent d'hygiène, il n'est pas dit qu'il doit rester au niveau des marchés ou de la mairie. Il doit sillonner dans les quartiers. Si il donne des avertissements. Une ou deux fois, les gens ne respectent pas. Il sait ce qu'il faut faire. Il y a des amendes qu'on donne. Il y a aussi le commissariat qui est là pour régler parfois les litiges. Nous avons aujourd'hui des concessions où c'est plein de séquoies, c'est plein d'eau usée. Les gens, ils font tout, tout, tout. L'air ne circule pas. Les gens sont malades. Ils vont au centre de santé mère-enfant plusieurs fois pour des raisons. Et l'agent est obligé d'aller faire une visite à domicile pour mhm. voir qu'est-ce qui se passe. Et où sont ces agents d'hygiène Et il y avait la répression parfois qui était favorable au mode de vie de nos communautés, de nos populations tout simplement parce que on sait que il y a une répression et que l'agent de santé va passer dans telle semaine avant l'arrivée de l'agent de santé. Tout est nettoyé, tout est, mais au moins ce nettoyage obligatoire permet à la population d'avoir une vie saine. Mhm. Qu'est-ce que vous faites de ces agents Je donne la parole à M. Daouda parce qu'on est proche de la fin, on a moins de 5 minutes. Euh, M. Daouda, selon vous, comment bien gérer nos ordures euh, pour euh, réduire nos déchets Il faut sélectionner compostage ou quelle solution C'est là où la municipalité a un grand travail avec tout le budget qu'il a dégagé pour la question de l'hygiène et de l'assainissement. Donc il a déjà dit qu'ils ont commandé des zones de traitement des eaux usées. Maintenant, ils doivent également œuvrer pour chercher des usines pour euh, traiter mhm. les déchets solides. Parce que le premier problème, c'est d'abord les déchets solides. Avec la population, c'est un petit territoire avec près de 2 millions de personnes. Vous connaissez déjà la quantité, ça veut dire que le problème est déjà résolu en partie parce que vous savez exactement ce que la population peut produire comme déchets. Mhm. Alors, il faudrait vraiment chercher les moyens Mhm. pour les évacuer, les traiter. Mhm. Parce que ces déchets-là, au lieu que ça ne soit un problème, ça peut être des opportunités mhm. pour le développement du pays. Alors, il faudrait vraiment chercher les moyens pour les évacuer de la ville et les traiter. Et pour ce qui concerne les déchets liquides, là, vraiment, il faut également chercher des usines pour les traiter avant de les déverser au niveau du fleuve parce que c'est cette eau-là que les gens sont en train de consommer. Mhm. Les gens se déversent directement leurs déchets à travers les décalisations dans le fleuve. Ça provoque également d'autres maladies aux populations riveraines du fleuve Niger. Monsieur Moumouni, vous avez une minute euh, pour réagir. Ben, euh, pour vous rassurer, il y a un projet de construction de quatre centres d'épuration des eaux usées sur le territoire de la ville de Niamey. Ailleurs, les déchets solides constitue une richesse pour la population. Ici, c'est une fatalité. Il nous faut renverser la hein. tendance. Il y a des gens qui sont des multimillionnaires grâce à ces déchets. Parce que la filière était bien organisée. Mhm. Pourquoi nous ne pouvons pas faire la même chose Inch'Allah, nous allons faire en sorte que les déchets solides cesse d'être une fatalité pour la population de la ville de Niamey, que des gens se structurent, s'organisent et à travers ces déchets arrivent à survenir à leurs besoins. La sensibilisation, la sensibilisation est toujours la sensibilisation et les maître mot de la ville de Niamey. La répression viendra, qu'on le veuille ou non, mais il faut sensibiliser au maximum. Non, on va sensibiliser, sensibiliser, sensibiliser. Et, en dernier recours, sanctionner. C'est ce que le président dit. Ne sanctionnons pas d'abord, conscientisons la population. Si la population s'approprie des valeurs que nous voulons véhiculer, on n'a pas besoin de sanctions. Madame dernier euh, euh, la, sanction, la, sanction, euh, est positive ou négative. Hein? Mm. Mhm. Si vous sanctionnez positivement, c'est une bonne chose. Mhm. Ce n'est pas un problème, mais l'essentiel, c'est de quand même conscientiser la population. Les télés sont là, les radios sont là, tous les médias sont à notre disposition. Il parlait de bâches, de commander des bâches. Ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire de prendre rien que nos sécos et de jeter sur ces ordures et éviter qu'ils s'envolent C'est des pratiques plus simples. C'est palliatif. Non, c'est palliatif. Ça, ça évite quand même le, véhicule fasse survoler des déchets de X endroit à X endroit, un secours seulement le véhicule. Et l'autre aspect à l'endroit des ménagères, c'est qu'il faudrait quand même beaucoup de sensibilisation au niveau des ménages pour que les populations à la base communautaire prennent conscience du danger qu'ils courent à travers l'insalubrité les problèmes respiratoires, les problèmes digestifs, c'est-à-dire les gastro-entérites, les problèmes des yeux des enfants, les problèmes qui sont liés aux moustiques. Vous voyez, tout ça, c'est l'insalubrité. Voilà ce que euh, je merci, beaucoup de sensibilisation. Merci, merci à vous, chers invités, d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'insalubrité à Niamey, les actions engagées et les obstacles rencontrés. Ce qu'on peut retenir, c'est que les autorités de la ville de Niamey sont à pied d'œuvre pour assainir la ville de Niamey afin qu'elle reflète l'image d'une ville moderne. Pour cela, selon le conseiller juridique du président de la délégation spéciale, 45% des ressources de la ville de Niamey soit environ 35 milliards de francs CFA, sont débroussés chaque année pour euh, assainir la ville. Pour nos invités, la mairie doit dégager des espaces euh, pour les dépotoirs dans tous les quartiers, traiter les déchets solides et liquides et sensibiliser la population à mieux gérer les ordures pour un environnement sain. Nous étions avec euh, Madame Traoré Salamatou, habitante de la ville de Niamey, Monsieur Bouraïma Daouda du mouvement nigérien pour la sauvegarde Garde des acquis démocratiques euh, Mozadem, M. Abdoulaye Ali Moumouni, euh, un représentant de la ville de Niamey, et à la présentation Rahilatou Soumana. Retrouvez le forum du studio Kalangou tous les jours à 18h15 avec euh, une autre thématique. Au revoir.